le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Forum le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir. Vous êtes en direct sur le studio Kalangou, 18h15 minutes. Bonsoir, bienvenue au forum de studio Kalangou. Au micro, à ce micro, Diallo Mariama Kenda. Pour ce numéro du mardi 20 septembre 2016, voici ce qui fera l'essentiel de votre magazine d'actualité. Nous ouvrons ce soir plusieurs dossiers qui concernent directement la jeunesse de notre pays avec une rentrée scolaire compliquer la question de l'emploi des jeunes à l'occasion de l'ouverture du premier forum de l'emploi et de la formation professionnelle. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALCIA, dresse le résultat à mi-parcours de l'opération de contrôle et d'identification des enseignants contractuels entamés dans l'ensemble du pays au mois de juin. Détail avec le vice-président de la ALCIA, Salissou Ubandama, Ubandoma. La réaction du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB tout de suite euh, pour le le SINASEB, des poursuites doivent être engagées contre les responsables des manquements constatés afin d'assainir le secteur éducatif nigérien. La rentrée scolaire pour les lycées a débuté hier. Constat dans ce forum, l'Union des scolaires nigériens, eux, appelle un lance un appel au boycott de 72 heures des activités académiques. C'était dans une déclaration tenue hier. Certains syndicats approuvent cette décision. C'est le cas du SNES, e syndicat des enseignants du secondaire. Enfin, nous parlerons d'emploi, la première édition du salon de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Voici pour les titres. Si vous êtes à Niamey, vous nous suivez sur les 99.4 et les 100.0. Les programmes des studios Kalangu sont diffusés à travers euh, sont diffusés et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilaberi, Arlit, Filingue, et euh, Nous vous en parlions sur cette antenne au mois de juin dernier. La haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia avait entamé une opération de contrôle des enseignants contractuels dans l'ensemble du pays. Après deux mois de travail, la Alcia dresse le résultat à mi-parcours de cette opération d'identification dans cinq régions du Niger. Salissou Bandoma, vice-président de la Alcia au micro de Reila Toussou. L'objectif principal de cette mission est d'identifier physiquement les enseignants contractuels sur leur lieu de travail. L'autre objectif, c'est d'isoler, sinon de soustraire les éventuels délinquants du système, sinon de la société en général. Alors, pourquoi cette mission Vous le savez déjà que pour faire face aux besoins de plus en plus pressants du secteur de l'éducation et même des autres secteurs, en matière de personnel, l'État du Niger a dû recourir au système de la contractualisation. La rémunération de ces contractuels est constituée de pécules mensuelles, en lieu et place des salaires. Alors, dans le secteur de l'éducation, précisément, avec l'accroissement chaque jour important des contractuels, il est vite apparu des difficultés de maîtrise des effectifs et même des pécules payés. Au regard du poids des sommes en cause sur le budget national, les autorités de la 7e République ont chargé la Halcia d'investiguer. Pour votre information, l'État du Niger débloque chaque mois plus de 7 milliards de francs CFA. Je dis bien chaque mois, plus de 7 milliards de francs CFA, rien que pour payer les contractuels. Je pèse bien mes mots, les contractuels. Par exemple, pour l'éducation nationale, c'est une enveloppe de plus de 5 milliards que chaque mois l'État bloc. Pour l'enseignement secondaire, c'est environ 1,5 milliard, donc 1 milliard et demi. Et pour l'enseignement, la formation professionnelle et technique, c'est environ 500 millions. Si vous totalisez, vous avez quelque chose de plus de 7 milliards que chaque mois l'État du Niger débloque pour payer les contractuels. Comment s'est déroulée cette mission La mission a couvert l'ensemble du territoire du Niger. Huit équipes ont été constituées, soit une équipe par région. Et chaque équipe est conduite par un inspecteur des services relevant des ministères en charge de l'éducation, assisté d'un sous-officier de la gendarmerie. Les agents enquêteurs sur le terrain étaient essentiellement des gendarmes désignés et formés sur place, c'est-à-dire localement dans chaque département. Ces enquêteurs ont sillonné le pays école par école c'est le lieu d'adresser au nom du président de la HALTIA toute notre reconnaissance à ces vaillants gendarmes et à leur hiérarchie pour le service rendu avec souvent peu de moyens. Il faut également rendre hommage aux autorités administratives et sous-régionales pour leur bonne collaboration. Alors, cette étape de la mission est la phase terrain. Elle nous a permis de faire des constats. On a remarqué que beaucoup d'enseignants contractuels recrutés pour enseigner se retrouvent dans des bureaux comme secrétaire ou comme chauffeur et parfois même comme gardien. Et ils bénéficient des mêmes traitements que les enseignants crèmes. Des enseignants contractuels et même des titulaires ont souvent été affectés dans des écoles et des établissements privés dans des conditions douteuses. Des enseignants contractuels sous-employés. Pour preuve, il est très aisé, très facile, surtout dans les grandes villes comme Niamey, de rencontrer 5 à 6 enseignants pour une seule classe. Pendant qu'un enseignant donne cours, les autres s'occupent dehors à d'autres activités extrascolaires. Et imaginez qu'ils sont payés pour le même salaire, c'est-à-dire sont payés, même ceux qui ne travaillent pas, pour le travail d'une personne qui est dans la salle. Au secondaire, nous avons rencontré des enseignants, des professeurs du secondaire qui ont par semaine un volume horaire de 3 à 4 heures dans les villes, pendant que dans les collèges ruraux, vous allez voir un seul enseignant avec 20 heures, 21 heures, ce qui est réglementaire d'ailleurs. Ça, c'est une situation. L'autre observation, constat que nous avons fait, c'est que sur le terrain, vous allez trouver des enseignants qui chevauchent entre deux contractualisations. Ils sont contractuels au primaire et de l'autre côté, ils sont contractuels au secondaire. Et à la fin du mois, ils bénéficient de deux pécules vous allez également trouver des enseignants contractuels qui ont été mis en solde parce qu'ils ont été recrutés à la fonction publique, mais qui continuent à bénéficier, ou bien quelqu'un continue à bénéficier pour eux des pécules. Nous avons aussi relevé cela à temps opportun. Nous allons mettre la main sur ces enseignants que nous avons, que nous sommes déjà là. Il y a également des fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec l'éducation, mais qui se font recruter pour être contractuels, c'est-à-dire après leur temps libre ou je ne sais quoi, par quelle gymnastique, s'ils n'ont rien à faire au bureau, ils sont contractuels. Donc, euh, ils sont fonctionnaires aujourd'hui, demain, ils sont contractuels. Eh bien, il y a beaucoup de choses que nous avons vues sur le terrain. Certainement, à temps, les gens viendront rendre compte de ce qu'ils ont posé comme acte, c'est qui sûr. Alors, cette phase ayant terminé, nous avons commencé à entamer la deuxième phase. La deuxième phase sur laquelle nous sommes actuellement et qui consiste à l'exploitation des données recueillies sur le terrain est la plus délicate en réalité. Imaginez plus de 60 000 enseignants contractuels à regarder un à un. Il faut les passer sous peigne fin. Regardez d'abord s'ils sont seuls, regardez d'abord leur diplôme. Peut-être que pour le diplôme, nous reviendrons plus tard et nous allons vous appeler pour faire le même point de presse parce que là-bas aussi, c'est enseignement parce que vous allez voir des gens avec des diplômes qui ne les appartiennent pas et ce sont ces mêmes enseignants à qui on donne l'avenir de ce pays. Pour faire ce travail, il faut préciser qu'en plus des inspecteurs des services qui relèvent donc des ministères en charge de l'éducation, avec lesquels d'ailleurs on a commencé ce travail, nous avons fait appel aux agents de l'INES. L'INES, c'est l'Institut national de la statistique, en raison de l'excellente maîtrise des outils informatiques pour l'exploitation des données. Alors, depuis le 15 juillet passé à aujourd'hui, nous avons deux mois, jour pour jour, où nous sommes dans cette salle. Et ces deux mois nous ont permis de finir, ne serait-ce que provisoirement, cinq régions. La région de Niamey, Dosso, Agadez, Difa et Tawa. Il reste à regarder trois régions et pas les moindres, vous le savez, en matière d'effectifs ou en matière de population, densité, c'est Maradi, c'est Tilaberi, et ces Indères, Ce sont les trois grandes, les plus grosses régions d'ailleurs, qui restent à regarder. Vous imaginez donc le volume du travail qu'il reste à abattre. Alors, le présent point de presse fait état des résultats provisoires et à mi-parcours puisqu'on n'a pas fini. J'insiste sur le caractère provisoire de ce point de presse ou de ce travail parce que nous allons continuer à fouiller, nous allons approfondir les investigations pour voir ce qui est le plus caché et qui ne se voit pas peut-être à l'œil nu. Nous partons doucement, ça prend beaucoup de temps parce que nous avons compris que c'est un travail qui requiert beaucoup de minutie. Il faut aller doucement pour ne pas incriminer des personnes innocentes. Donc, euh, pour les résultats provisoires, pour les cinq régions, entendons-nous bien, les cinq régions que nous avons finalisées, nous avons regardé 32 460 enseignants contractuels. Dans ces 32 460, il y a une catégorie des enseignants que nous, celle-ci, nous les avons trouvés sur le terrain. comment on les a trouvés et on les a recensés. C'est 29 751 enseignants contractuels que nous avons trouvés sur le terrain, donc dans leur lieu de travail. Il y a une autre catégorie d'enseignants que nous n'avons pas trouvés. Et pourtant, ces enseignants se trouvent être sur la liste que les inspecteurs nous ont fournie parce qu'avant d'être sur le terrain, on a passé chez les inspecteurs et les différents responsables au niveau des régions et des sous-régions pour récupérer pour chacun, à ce qui le concerne, la liste de ces enseignants. Et ces enseignants dont je parle, sur le terrain, nous ne les avons pas trouvés. Ce n'est pas parce qu'ils sont absents, tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Et jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que ce sont des enseignants fictifs, jusqu'au moment où nous allons avoir la preuve que ces enseignants existent. Et d'ailleurs, la seule preuve, c'est qu'on le trouve, puisqu'il est inscrit sur la liste. S'il n'est pas dans ce village, c'est qu'il n'existe pas. Et c'est pourquoi nous considérons que ce sont des enseignants fictifs. Ils sont au nombre de 1917 sur ces cinq régions. L'autre catégorie d'enseignants contractuels, c'est des enseignants qui sont sur le terrain, en train d'enseigner. Mais quand vous regardez sur la liste des inspecteurs, ils ne s'y trouvent pas. On se demande d'où ils viennent. Parce qu'ils sont en train d'enseigner, mais ils ne sont pas sur la liste de l'instructeur. Alors, on se demande bien de quelle planète ils viennent et comment ils sont payés. Sous le nom de qui ils sont payés. Tout ça, là, c'est des investigations que nous allons pousser et nous allons, Inch'Allah, vous appeler pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Ils sont au nombre de 792, ces enseignants qui sont sur le terrain, mais qui ne sont pas sur la liste de l'instructeur. Une autre catégorie des enseignants que pour le moment, nous appelons des doublons. Ils sont au nombre, ils sont au nombre de 648. 648 enseignants qui ont le même nom et prénom. Ils ont, sont nés le même jour. En fait, c'est-à-dire, c'est des enseignants qui se répètent plus d'une fois. Vous allez voir un ou deux ou trois enseignants qui ont le même, le même nom et prénom et la même date de naissance et le même lieu de naissance. Ces trois qui vers là, une fois qu'on remplit, une fois que quelqu'un les remplit, on considère que c'est des doublons. Mais ceux qui se retrouvent dans des institutions différentes, vous imaginez Nous, pour nous, ce sont des doublons. Et celui qui a posé ces actes, certainement, va nous expliquer pourquoi il a préféré faire des personnes en plus sur des noms, euh, des personnes qui euh, pratiquement n'existent plus. Donc, voilà les catégories des enseignants que nous avons trouvées. Eh bien, nous avons considéré deux catégories pour maintenant faire un calcul pour savoir qu'est-ce que l'État perd, quel impact cela fait sur le plan financier en termes de pécule. Nous allons considérer la première catégorie des enseignants qui sont sur la liste de l'inspecteur, mais qu'on ne retrouve pas sur le terrain. Et ils sont au nombre de, j'ai dit, 1917, plus les doublons qui sont au nombre de 648. Nous les avons additionnés pour prendre des moyens de pécule pour l'éducation primaire nous avons considéré 75 000 francs, une moyenne de 115 000 francs de pécule. Quand vous faites la, multiplication, vous faites le calcul, vous allez voir que rien que pour l'enseignement primaire, l'État perd par an, je dis bien par an, environ 2 milliards qui s'envolent, on ne sait où, qui tombent dans les poches de certaines personnes. Pas forcément les enseignants contractuels, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de la contractualisation il faut le dire. Donc, c'est environ, pour l'enseignement primaire, environ 2 milliards par an. Pour l'enseignement secondaire, c'est environ 500 millions par an. Je parle de ces cinq régions, hein, puisqu'on n'a pas finalisé, je le répète. Et pour l'enseignement professionnel et technique, c'est à peu près donc 60 millions que l'État perd. En, tout, l'État perd plus de 2 milliards, environ 2 milliards 500 millions. Ça, ce chiffre-là, c'est sans compter l'impact que la concentration des enseignants pour une classe, je l'ai rappelé, pour une classe, vous allez trouver 5 à 6 enseignants. Quand vous faites un calcul, c'est aussi un manque à gagner. Vous conviendrez avec moi. C'est de l'argent perdu. Ça, je n'ai pas compté. Je n'ai pas également compté, on n'a pas comptabilisé les volumes horaires qui auraient dû être de 21 heures pour chaque enseignant parce qu'en ce moment-là, l'État gagnerait en temps, gagnerait en moins de contractuels. Ça, on n'a pas comptabilisé. Et il va falloir qu'on le comptabilise. Donc, quand vous le mettez, c'est plus de 3 milliards que l'État du Niger perd par an. J'espère que vous vous rendez compte, lorsqu'on aurait fini les trois grosses régions, Maradi, Zender et Tilaberi, ce n'est pas une question de 3 milliards. Pour que l'éducation dans ce pays connaisse des jours meilleurs, il faut qu'il y ait des bons enseignants. Vous venez d'entendre euh, Salissou Ubandoma, vice-président de la Alcia, propos recueillis par Ailatou Soumana. À la suite de ce point de presse, le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB a souhaité que les poursuites, que des poursuites soient engagées contre les responsables des manquements constatés afin d'assainir le secteur éducatif nigérien Issata Umaru, membre du bureau exécutif du SINASEB, au micro de Asmanachina. C'est un rapport qui concerne 5 des 8 régions du Niger et le résultat aujourd'hui publié est un résultat provisoire. Donc la question que nous nous posons, est-ce que les trois régions qui n'ont pas été publiées, s'il n'y a pas eu de contrôle dans ces régions ou bien il y a quelque chose qu'on veut nous cacher dans ces trois régions Parce que même les cinq régions qui ont été publiées, vous avez remarqué avec nous qu'il y a eu plusieurs anomalies. Il y a eu plus de 1000 enseignants fictifs qui sont en train d'être payés chaque année et chaque mois par l'État dont leur pécule rentre dans la poche de certains individus. Il y a aussi des gardiens et des chauffeurs qui sont en train d'être payés comme étant des enseignants contractuels. Il y a aussi un peu moins de 1000 doublons. Donc tout cela est un manque à gagner pour l'État. Lorsque la Halcia a initié ce contrôle, nous, nous l'avons dit, ça va permettre à l'État de, de mieux vraiment maîtriser l'effectif des enseignants pour pouvoir les payer à terme échu. Aujourd'hui que la Halcia a rendu public son rapport, moi je pense que pour que le travail de la Halcia ne tombe pas dans l'eau, il va falloir que des poursuites soient engagées contre les responsables de ces enseignants fictifs parce qu'il faut noter que les enseignants fictifs dont nous parlons, c'est des enseignants qui sont recrutés, c'est des fictifs qui sont entretenus par les responsables au niveau des administrations. C'est une chaîne du ministère à, au niveau des PRI en passant par les DREP et les inspections. Donc il ne faudrait pas que l'État débloque de l'argent pour faire ce travail et en plus que les, responsables continuent à courir et continuent toujours à faire leur forfaiture. Nous, nous exigeons que la Halcia continue son travail de faire la publication pour les trois régions parce qu'il faut noter que la région de Tilaberi, la région de Zender et celle de Maradi n'ont pas été publiées et nous savons tous que ce sont les trois régions qui recrutent beaucoup plus d'enseignants contractuels que les autres régions. Si à chaque fin du mois, l'État doit payer doublement ses enseignants contractuels, vous voyez ce que ça fait parce qu'aujourd'hui, du fait de l'inconséquence de ces gens, l'État n'est plus capable de payer à terme échu les contractuels. Aujourd'hui, nos camarades en région ont cinq mois d'arriéré. Vous savez, nous sommes à la veille de la rentrée et ce n'est pas évident qu'avec cinq mois d'arriéré, que la rentrée puisse être effective. Vous avez parlé de doublons. Ça veut dire quoi, les doublons Oui, les doublons, c'est le nom du même enseignant se trouve au niveau de la région de Niamey. Ce même nom va se retrouver aussi au niveau d'une autre région. Parce que ce problème, c'est quoi Et souvent, vous savez, là où nous nous disons que les, autorités même sont responsables, parce que pas de rigueur par rapport à ce recrutement. Parce que aujourd'hui, un enseignant peut servir en région et tout simplement parce qu'il a eu un recrutement au niveau de Niamey, il quitte directement son poste sans pour autant avertir les responsables euh, administratifs au niveau de la région. Il vient au niveau de la région d'accueil. On prend en compte son nom et il n'y a pas un système informatique qui peut identifier ces doublons. La personne est en train d'être payée au niveau de son inspection d'accueil et là où il a quitté sans informer, son nom figure toujours. Pour le même enseignant, le salaire vient doublement. C'est ce qui a gonflé la masse salariale parce que selon le rapport de la Halcia sur les 7 milliards que l'État débloque chaque mois pour payer les enseignants contractuels, 3 milliards vont dans les des responsables en charge de la gestion de ces enseignants contractuels. Lors même de, l'opération d'identification, il y a certains de mes camarades qui n'ont pas pu être recensés parce qu'ils n'ont pas fourni de documents nécessaires. Que pensez-vous de leur cas Ceux qui n'ont pas été identifiés, c'est pourquoi nous, nous avons déjà euh, pleuré le moment où la Halcia a initié parce que c'était un moment où on tire vers la fin de l'année où nos camarades accumulaient plusieurs mois d'arriérés de, de pécule. Ils ne sont pas sur le terrain. La Halcia a initié cette opération. Donc, par rapport à ça, il y a beaucoup de camarades que la Halsar n'a pas trouvé sur le terrain, qui n'ont pas pu être identifiés. Et même parmi ceux qui ont été trouvés sur le terrain, il y a des camarades qui n'ont pas les, qualifications nécessaires pour être enseignant. C'est-à-dire, il y a des camarades qui n'ont pas de, le simple brevet parce qu'on peut recruter sur la base de ce brevet. Par rapport à ça, nous, nous disons que c'est la faute toujours aux responsables parce qu'il faut dire que celui qui ne remplit pas les critères pour enseigner, s'il s'est vu recruter, c'est la faute de celui qui l'a recruté parce qu'on pense que l'éducation n'a aucune importance dans notre pays. On va recruter qui on veut, on va recruter n'importe qui qui ne remplisse pas les critères. Nous attendons le rapport définitif sont tombés dans l'eau et ça va encore empirer la situation que nous connaissons aujourd'hui, la situation de manque de paiement des enseignants, la situation d'irrégularité euh, sur, sur, sur, le terrain. Ça veut dire que si on parle des rapports de, la Halcia, notamment ceux qui n'ont pas été euh, identifiés parce qu'ils n'ont pas présenté les documents nécessaires, beaucoup de vos camarades ne vont pas retrouver leur poste à la rentrée peut-être. Par rapport à ça, il n'y a pas une décision qui a été prise. Moi, je pense que certains de nos camarades n'ont pas pu être identifiés. Ce n'est pas leur faute et ce n'est pas aussi à eux de payer les frais. Parce que, je l'ai dit, c'est vers la fin de l'année que la Halcia a initié. Nos camarades ne sont pas obligés de rester sur leur poste à la fin de l'année parce que déjà ils sont en congé. Isaka Oumarou, membre du bureau exécutif du SUNASEB, il est interrogé par Asmana China. reste toujours avec le secteur de l'éducation pour parler de la rentrée scolaire. C'était en principe hier 19 septembre que les élèves du lycée devaient reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire. Mais cette rentrée académique 2017-2016-2017 n'est pas effective. Euh, hier matin, dans n'a pas été effective hier matin dans la région de Niamey. Elle a été boycotté par la section lycée collège de Niamey pour 72 heures. Le constat avec nos reporters. Au niveau du lycée Issa Korombe de Niamey, à 10 heures déjà, il y avait peu d'élèves sur place. Et pour cause, la structure syndicale des sections lycéennes et collégiennes de Niamey a appelé à un boycott de cette rentrée. Quelles sont les raisons de ce boycott Boubacar Jibo Mounir, premier secrétaire général adjoint des sections lycéennes et collégiennes de Niamey, répond. Ça fait de cela plus de trois ans que des chantiers existaient, des chantiers abandonnés où on ne sait pas où se trouvent actuellement les entrepreneurs. Si vous prenez quelques écoles de la rive droite de Niamey qui sont victimes des inondations, nous avions eu également ont demander l'évacuation de ces eaux avant même la rentrée académique. Mais très malheureusement, ils ont fait sourire nous l'avions dit que si euh, les années dernières, nous avions eu à laisser passer, que vraiment cette année, ça passe pas. Pourtant, côté administration, on estime que tout est en place pour un bon début des cours. Le corps professoral est présent et le matériel didactique est disponible selon le proviseur du lycée Issa Korombi. Mohamed Mokhtar Garba déplore ce boycott. Je suis pas content que des autorités se le gouverneur allait se déplacer lorsque les élèves ont amené le mot d'ordre. Nous étions prêts depuis la semaine passée parce que le gouvernement a amené les fournitures scolaires. Les jours où ces élèves l'avaient étudié, et nous et les professeurs, nous sommes prêts à commencer les enseignements. Pour cette année 2016-2017, ils sont environ 110 000 élèves, dont près de 85 000 du public, à reprendre le chemin de l'école. Ce reportage est signé Nafisa Adamo, Rukaya Abdurrahman du studio Kalangu. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a rendu public hier matin une déclaration sur le non-paiement des bourses et des aides sociales aux étudiants nigériens. Soumana Ouseni Sambo, secrétaire général du comité directeur de l'USN, s'explique. Il est au micro de notre reporter Omar Hamma. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui euh, à la veille de la rentrée scolaire et euh, comme euh, les problèmes des scolaires, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, n'ont pas trouvé jusque la solution par rapport aux problèmes que nous avons posés au niveau des autorités au plus haut sommet. Depuis le 23 juin, qu'on a signé des conclusions avec le ministère de l'Enseignement supérieur sur la tutelle du ministère de l'Intérieur relatif au paiement de l'aide sociale dans les universités, c'est-à-dire l'université d'Ottawa, maladie et Zander et le paiement de la deuxième bourse et la troisième bourse au pays et que ça soit à, et à l'extérieur. En dehors de cela, s'ajoute le problème des paiements des allocations dans les différentes régions Tilaberi, Dosso et euh, Agadez et qui jusqu'à aujourd'hui, les scolaires n'ont pas reçu cette, euh, leur allocation. À cela vient s'ajouter le problème le plus crucial c'est-à-dire la question relative aux infrastructures. C'est-à-dire, je parle des classes, des latrines au niveau des lycées, au collège, des amphithéâtres qui ont commencé et leur euh, construction il y a cela, cinq ans de cela, qui n'ont pas été achevés. Et par rapport à ces ras bol que l'Union des scolaires nigériens est en train d'observer avec lamentation, nous allons dire que nous avons soutenu de notre silence pour prouver à ces autorités que notre silence n'est pas, pas une faiblesse, mais c'était un recul pour que nous puissions dialoguer avec eux. nous avons constaté que avec les autorités de la 7 République, et il n'y a pas de résultats probants par rapport à ce qui est et des, solutions et par rapport aux engagements qui ont été pris et qui n'ont pas été honorés. Donc nous avons, à partir de ce jour, lancé un, un mandat de 72 heures. C'est toute étendue du territoire national et à, l'étranger pour demander la suspension des activités académiques, y compris les examens. Et en dehors de cela, nous sommes, nous avons fait notre sortie relative à la sortie du ministre euh, de l'enseignement supérieur qui, avant-hier, a fait une sortie médiatique pour parler de la situation de l'école et plus particulièrement la situation des étudiants et, élèves au niveau national et en disant que tous les problèmes ont trouvé solution. Si les problèmes ont trouvé solution, pourquoi aujourd'hui les enseignants-chercheurs sont en grève Pourquoi aujourd'hui au niveau des, des, des maladies, Zander et Tawa, l'aide sociale n'a pas été pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la troisième bourse qui devrait être payée et en juin n'a pas trouvé satisfaction. Donc je dis que ce monsieur est en train de, de, de, de mentir à l'opinion nationale et internationale. Donc nous sommes sortis pour le dire d'arrêter ces mensonges et de créer les conditions pour la satisfaction des problèmes qui concernent euh, euh, les codes nigériens. Faute de quoi, euh, au niveau de des scolaires nigériens, nous avons demandé sans condition son départ et nous allons nous battre pour que toutes les questions qui ont été mises sur la table puissent trouver solution. Au, au cas échéant, nous avons engagé les luttes qu'il faut pour trouver des solutions par rapport aux problèmes qui, qui minent aujourd'hui le nigérien. Propos recueillis par Omar Hama. Je l'annonçais, l'Union des scolaires nigériens a lancé une grève de 72 heures lors d'une déclaration rendue publique hier à Niamey. Dans cette déclaration, les étudiants ont remis en cause les propos tenus par le ministre de l'enseignement supérieur Ben Omar samedi dernier et revendiquent le paiement des aides sociales et la construction de classes et de latrines en matériaux définitifs. Une grève qu'approuve Cheboud le secrétaire général du syndicat des enseignants du secondaire SNES e Niger. Vous savez, euh, la situation qui arrive euh, était prévisible. Prévisible tout simplement parce que le gouvernement a pris des années durant des engagements et dans les faits, on se rend compte que ce ne sont que des bonnes intentions. <laughs> on dit que eh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est quand même des pertes de famille pour certains d'entre eux et ils vivent quand même eh, à leur charge. Donc s'il y a des problèmes eh, de bourse qui s'opposent, posent, il est bien évident que la rentrée, il était difficilement qu'elle puisse être effective. Et j'ai compris que c'était vraiment un cocktail suffisamment explosif au niveau des universités et au niveau de la section collège-lycée. C'est pratiquement la même situation. Vous avez des promesses qui ont été faites autour de construction de latrines. Je dis bien latrines. C'est quand même le, des besoins basiques parce que vous ne pouvez pas avoir une école sans latrines. Et ce problème-là, ça ne s'oppose pas qu'aux élèves, même au niveau des enseignants. Vous allez prendre des grands lycées de référence. Si vous partez voir leur toilette, madame, si on vous dit d'y entrer, vous n'allez pas le faire. Et ça veut dire que vous soutenez euh, euh, l'Union des, scolaires tout, nigériens Tout à fait, madame. Parce que euh, ce qu'ils demandent là, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Si on veut véritablement d'une école de qualité, il faut que ces jeunes-là soient à l'abri d'un minimum. Alors, est-ce que vous pensez un peu donc à la rentrée scolaire qui débute avec euh, un, problème, le boycott Est-ce que c'est pas un mauvais signe pour, euh, pour l'école nigérienne Malheureusement, c'est un mauvais signe. Vous l'avez bien dit, parce que eh, on peut rentrer, mais vous savez, l'essentiel ce n'est pas la rentrée, c'est ce qui se passera tout au long de l'année. Donc, s'il y a des perturbations au cours de l'année, c'est ça qui compromet eh, le bon déroulement de l'année. Donc, certes, la rentrée, il y a eu des mots de boycott de la rentrée, donc trois jours de boycott. Si ça s'arrête à ça, si l'administration prend en charge, traite les causes de cette instabilité, je pense qu'il n'y a pas tellement de crainte à avoir. Mais malheureusement, on n'a pas l'impression que ces causes-là seront traitées et à temps pour que l'année ne soit pas perturbée grandement. Justement, au vu de ces revendications, est-ce que vous pensez que ce problème sera résolu Parce que la liste, elle est quand même un peu longue. Non, les syndicats, quand ils déposent des listes de revendications, il y a plus plusieurs revendications. Il y a des revendications qui sont à régler ici et maintenant. Par exemple, là où on parle de latrine, les questions de bourse, c'est des questions de, de vie. Ces, ces étudiants-là ont besoin de ça pour étudier. Ceux qui sont pères de famille, ils ont les mêmes besoins que moi en tant que fonctionnaire parce qu'ils ont une famille à entretenir, ils ont des enfants à éduquer. Par exemple, ces genres de eh, revendications sont à traiter et eh, urgemment. Et je pense que généralement, c'est une tradition des syndicats de déposer de longues listes de revendications, mais si celles qui sont urgentes trouvent satisfaction, généralement, euh, on revient à de meilleurs sentiments. L'USN est revenu sur euh, la sortie médiatique euh, du ministre où il faisait un peu la situation et l'USN a apporté un démenti par rapport à tout ce qui a été fait et comme bilan. Vraiment, il a donné des informations, mais il ne s'est pas contenté de donner des informations. Malheureusement, pour une situation qui est suffisamment grave, conflictuelle, et Ben, le ministre Ben affirme de la provocation. Donc vraiment, en traitant les responsables syndicaux ou les syndicats de ceci ou de cela, vraiment, ça ne décrisse pas, ça ne crée pas les conditions de sérénité pour un bon dialogue. Il a outrepassé son rôle de ministre. Il doit se limiter à donner l'information et non faire de la morale aux gens. Ça veut, dire que, ça veut dire que même par rapport donc à la sortie médiatique du ministre, de l'enseignement euh, supérieur, à la réponse de l'USN, vous êtes euh, tout à fait d'accord aussi. Par exemple, au niveau de l'enseignement, il a parlé aussi des enseignants. Qu'un père de famille fasse quatre mois sans salaire. Parce que les enseignants contractuels, ils ont, il y a des régions où ils ont fait quatre mois sans salaire. Au lieu de traiter les revendications de ces pauvres enseignants, ils se mettent à faire de la, de la morale. Non, la morale ne s'y est pas. C'est comme des préoccupations et importantes de base, de vie ou de mort pour ces agents-là. Mais les enseignants et les étudiants sont dans leur rôle. Ben, ce qu'il a fait là, même le gouvernement, ça ne le sert pas. J'ai suivi sur <laughs> Facebook euh, un des ministres de l'éducation qui s'est tout simplement limité à dire que le ministre Ben avait le mandat de parler au nom de l'ensemble des ministres de l'enseignement de l'éducation nationale, mais sur les autres points, il s'est abstenu de se prononcer. C'est pour dire que le ministre a fait des écarts de langage totalement contre-productifs pour la communication gouvernementale. Alors, SG, euh, cette histoire euh, relative aux infrastructures, euh, euh, je parle de la construction des classes, des latrines dans les lycées et collèges et même ces amphithéâtres et, date quand même de longtemps. vous avez des amphithéâtres qui sont en construction depuis plus de cinq ans. Même si c'est un pont, on a eu le temps de finir la construction. Je vous dis, vraiment, sans sourciller, les étudiants et les élèves sont dans leur rôle et ils sont dans leur droit en demandant à ce que l'administration crée les conditions pour qu'ils puissent bien étudier. Mais moi, j'aurais bien voulu que, que dans le lycée où j'enseigne, que j'ai des enfants de ministres. Ça fait plus de 20 ans que je suis au Colombie. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir un enfant de ministre. Donc, peut-être que si leurs enfants étaient avec euh, l'enfant du commun des Nigériens, peut-être qu'ils seraient plus euh, attentifs et aux préoccupations quotidiennes que nous exprimons assez souvent et que les ministres tentent de, détourner en faisant croire que nous prenons l'école à otage. Non, nous ne prenons pas l'école à otage. Vous insinuez que c'est de la mauvaise foi de la part de, de ces ministres Absolument, madame, vraiment, c'est de la mauvaise foi. Il n'y a pas de... Au niveau de votre syndicat, que hmm. comptez-vous faire Est-ce que vous avez un mot à dire euh, dans cette histoire Par rapport au paiement des salaires des enseignants contractuels, euh, nous osons croire que d'ici euh, fin septembre, l'intégralité des salaires seront euh, épongés. Si d'aventure il y a des arrêts de salaire, en tout cas au nom de ma structure, je suis d'avis que l'ensemble des syndicats d'enseignants fassent chorus pour exiger du gouvernement qu'il règle cette question-là avant qu'on ne reprenne les cours. Parce que c'est une question quand même de vie, de vie et de mort ou de mort. Vous envisagez donc une grève mais, mais tout à fait. Si d'aventure, en tout cas moi je suis de ceux qui sont favorables que si le gouvernement d'aventure ne prend pas en charge cette question de salaire, d'arriéré de salaire, je suis favorable à ce que tous les syndicats d'enseignants disent au gouvernement ça suffit comme ça, il faut respecter les enseignants. C'est seulement nous qui avons euh, ces problèmes-là. C'est seulement au niveau des, enseignants que nous avons des problèmes de paiement de rappel salaire, que nous avons des problèmes de, euh, de matricule. Il faut faire euh, trois années quatre années certains avant d'avoir un matricule, pendant que les autres cadres de la fonction publique s'est réglé en deux, trois mois. Donc comprenez vraiment, vraiment la colère à peine contenue des, des syndicats et puis des étudiants quand ils expriment ces préoccupations-là. Ce n'est pas, ce n'est pas de la blague. Vraiment, on ne le fait pas de gaieté de cœur. On aurait bien voulu que notre école publique soit stable parce que vous ne pouvez rien faire si un système n'est pas stable, les mauvais résultats que nous obtenons au BPC, au BAC, c'est lié entre autres aussi à cette instabilité. Monsieur Cheibou, merci. <laughs> merci, madame. La première édition du Salon de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation professionnelle se tient, euh, s'est tenue ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Il s'agit au cours de cette journée d'exposer au public, notamment aux jeunes, des opportunités de formation, d'emploi et de création d'entreprises qu'ils ont au Niger. Le directeur général adjoint de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, Omarou Ibrahim, explique les objectifs de cette initiative. Il est au micro de Moussa Hassan. Ce salon vise trois objectifs. Premièrement, c'est de faire connaître d'abord l'Observatoire national d'Emploi et la formation professionnelle, faire connaître nos produits, échanger avec le public afin que nous puissions améliorer nos productions à l'avenir. Voilà les trois objectifs du salon. Et quels sont les produits que vous proposez au public Génie Aujourd'hui, nous avons fait un certain nombre d'analyses. Nous avons fait déjà 16 enquêtes et études notamment dans les communes par rapport au secteur économique, dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage, dans le secteur des mines et industries, dans le secteur des BTP, dans le secteur donc euh, de l'éducation, dans le secteur de la santé. Nous avons établi la carte de la formation professionnelle au Niger et pour chacune des régions et nous avons fait trois enquêtes, dont une enquête euh, nationale sur l'emploi et la formation professionnelle auprès des entreprises du Niger. Nous avons fait une enquête pour évaluer l'efficacité externe de la formation professionnelle auprès de 87 établissements de l'enseignement professionnel. Et enfin, on a fait une enquête sur l'emploi, la formation et l'insertion des sortants, qui est une enquête ménage et qui a concerné plus de 6065 ménages. Voilà les différents produits que nous exposons aujourd'hui à cette première rencontre de l'Observatoire. Est-ce que vous ambitionnez de solutionner le problème du chômage au Niger Oui, à travers quoi À travers la formation. Nous disons donc euh, donner les rudiments, les instruments euh, au gouvernement afin que la politique euh, national de la Renaissance puisse être mieux orienté sur le développement des compétences techniques et professionnelles afin de gérer le problème du chômage. L'une des axes que nous avons privilégié dans l'enquête ménage était de dire que l'État doit valoriser l'apprentissage par l'apprentissage sur l'État. Il y a des millions de jeunes qui apprennent sur l'État. Il faut valoriser ces compétences-là et il faut développer euh, la formation professionnelle technique moyen et l'enseignement supérieur. Voilà les trois stratégies. Cette stratégie permet, en tout cas du gilet de chômage des jeunes au Niger. Nous savons que l'enseignement professionnel et technique est assez développé au Niger avec une multitude d'écoles. Malgré cela, il y a toujours le problème de l'emploi puisque les diplômes délivrés au sein de ces écoles-là souvent sont contestés. Non, c'est au-delà, c'est pas la question de la contestation aujourd'hui qui est le véritable problème. Le problème est qu'aujourd'hui, c'est entre l'offre et la demande. Pour certains postes de métier, il n'y a quasiment pas de demande. Si vous voulez aujourd'hui avoir des poids lourds, engins conducteurs, donc euh, d'engins et vous allez en chercher au Niger, peut-être que vous n'allez pas trouver, il faut avoir la main-d'œuvre étrangère. Par contre, si vous voulez avoir aujourd'hui des compétences dans le secteur des BTP, bâtiment euh, bâtiments et travaux publics, vous comprendrez avec mon voyage sur les chantiers, c'est la main-d'œuvre étrangère. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a le besoin. Mais si vous dites que vous allez former des comptables, des gestionnaires, tous les établissements d'enseignement professionnel sont dans le secteur tertiaire. Ce qui fait aujourd'hui ici, quand nous avons fait l'analyse, il y a un besoin de moins de 300 comptables. Mais l'offre en annuel dépasse plus de 400 à 500 comptables qui sont formés par les instituts de formation professionnelle, par les, différentes universités qui ont été créées. Donc, l'offre des diplômés dépasse la demande des entreprises. Donc, il faut réguler. Alors que pour certains secteurs importants, les secteurs qui créent la chaîne de valeur comme l'agriculture aujourd'hui, l'entrepreneuriat, les techniciens en entrepreneuriat agricole pratiquement n'existaient pas. Donc, autant il y a une demande forte dans certains métiers, autant certains métiers, on peut le dire aujourd'hui, sont pratiquement saturés. Propos recueillis par Moussa Hassan. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, Alio Oumarou, ce salon est une véritable opportunité qui offre à la jeunesse la possibilité de savoir tout ce qui leur sont utiles pour affronter le marché de l'emploi. Alio Omar pense que la recherche de l'information est capitale pour ces jeunes. Je pense que l'information est une chose importante pour le développement personnel de tout un chacun. Et ce salon ouvert ce matin permet aux jeunes de s'informer d'une part sur les possibilités d'offres d'emploi, mais aussi sur les statistiques de ce qui a été fait réellement. Vous avez vu que tous les acteurs qui interviennent dans le domaine ont fait des potions et les chiffres sont là. Les statistiques permettent aux jeunes d'une part de s'orienter, mais de s'informer aussi davantage sur ce qui est fait par les pouvoirs publics et les différents partenaires au développement. C'est là que je salue cette initiative, même si j'ai voulu par ailleurs aussi que ce salon permette à d'autres jeunes entrepreneurs d'exposer aussi ce qu'ils font et le nombre d'emplois qu'ils ont eu à créer dans divers euh, secteurs. Est-ce que vous pensez que cela peut solutionner un tant soit peu le problème du chômage au Niger Le problème du chômage au Niger n'est pas un problème qui est nouveau et ce n'est pas aussi propre au Niger. La question de l'emploi des jeunes est un problème qui touche la majeure partie des pays africains et même de l'Europe. Donc il va falloir qu'il y ait une reconversion des mentalités, que la jeunesse puisse s'intéresser à l'auto-emploi. Donc, il va falloir qu'il y ait une bonne formation dans ces instituts, mais aussi que la formation dans nos universités, dans ces instituts, cadre avec le marché de l'emploi. Il faut nécessairement qu'il y ait adéquation entre l'offre et la demande, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le curriculum doit être revu et nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous encourageons toutes les politiques publiques qui entrent dans ce cadre. Donc les jeunes doivent comprendre que la meilleure façon de trouver du travail, c'est de créer lui-même sa propre entreprise. Et je pense que c'est bien possible avec les différents mécanismes que l'État est en train de mettre en œuvre, mais il faut que les jeunes croient en eux et puis pouvoir aller de l'avant. Et vous, en tant que structure de jeunesse, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement booster ces jeunes dans ce domaine-là, vu que ce n'est pas tellement vulgarisé au sein de la jeunesse nigérienne Vous savez qu'il y a une politique nationale de la jeunesse qui prend en compte toutes ces préoccupations. Cette politique est en train d'être mise en œuvre. D'ailleurs, pour la mise en œuvre de cette politique, le, Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec le ministère de la jeunesse et les autres partenaires techniques et financiers, on sillonnait tous les départements du Niger pour demander aux jeunes leurs préoccupations pour résoudre cette question du chômage. Mieux, avec la création du ministère en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, nous travaillons de concert pour que d'abord ce ministère soit connu, mais que ce ministère soit doté aussi des moyens pour permettre d'accompagner financièrement et techniquement les jeunes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. Et c'est le début, le début de toute choses est difficile, mais la volonté politique étant manifestée, nous, nous allons booster en tout cas cette jeunesse, qu'elle soit en milieu urbain ou rural, parce que comme vous le savez, la jeunesse nigérienne est à plus de 80% rurale. Donc ces jeunes au-delà de la saison de pluie, il faut qu'il y ait des métiers, il faut qu'il y ait des emplois permanents qui peuvent les permettre d'une part de rester dans leur village, mais aussi de pouvoir exercer des métiers nobles qui pourront les retenir dans leur localité. C'était Alu Omaro, président du Conseil national de la jeunesse. Voilà, c'est tout pour ce soir. Sachez que ces dossiers restent des dossiers ouverts. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au revoir et agréable soirée à vous on se retrouve demain à la même heure.